Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Amis auditeurs, auditrices des 45 radios partenaires du studio Kalangu. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. La bienvenue sur votre rubrique L'artiste s'exprime. Chorégraphe, membre fondateur de Gabiru, le célèbre groupe de danse du Niger, mesdames et messieurs. Il est comédien, il est musicien également. Eh, pour rappel, le studio Kalangu a vu le jour en janvier 2016. Ja, janvier 2016. Don Dono karangoma. Beninago donc cinq ans après en Zoumandi Kalangu Dondongo Kango exposé donc il est musicien confirmé. Aujourd'hui, nous allons parler non seulement du parcours en question du combattant sur cette émission, mesdames et messieurs, mais aussi du festival Wassan Africa. Wassan Africa, c'est un festival dédié aux cultures africaines. Wassan Africa, que l'on peut traduire par Fête de l'Afrique, selon son appellation en langue Hausa, a vu le jour aussi en 2005, mesdames et messieurs, à l'ONAC, localité de la région de Toulouse en France. C'est une initiative associative qui vise à contribuer au brassage culturel, entre autres spectacles, danse, musique, théâtre. Alors aujourd'hui, nous avons bien évidemment la chance de recevoir sur l'émission Tous à la Fada, à la rubrique L'artiste exprime, le promoteur en question de ce festival. Lawana Boubacar, c'est le nom du sœur. Vous êtes sur le studio Kalangu. Mesdames et messieurs, lâche le beat, c'est quand tu veux. Voilà. Laurent Boubacar, la machine te souhaite la bienvenue sur L'artiste s'exprime sur le studio Kalangu. Laurent, comment tu vas Hey Donny ça va Tu pètes la fin? Ah, mais bien sûr. le voyage, ça a été Le voyage, ça a été et le voyage, est bien sûr, <laughs> eh, avec bien évidemment ce temps difficile, parce qu'on sait déjà que la pandémie fait ravage à travers le monde. Voyager même, c'est compliqué. Eh, je sais que présentement, vous êtes confiné de l'autre côté de la France. Alors, on vous souhaite en tout cas bon courage et nous souhaitons aussi le meilleur pour le monde entier, parce que la question, elle est tout simplement planétaire. Alors aujourd'hui, là-bas à Aboubakar, nous allons parler de l'artiste, nous allons parler un peu de ses débuts, nous allons parler du parcours du combattant. Là, on Boubacar. Aboubakar, parlons de là, a Aboubakar. Alors, qui est Lawan Aboubakar C'est la première question qu'on doit se poser. la première question. Oui. Alors, Lawan Aboubakar, pour ceux qui le connaissent, c'était Lawali, c'était Lawan. Et j'étais ici dans les années 98-99. J'étais danseur, chorégraphe. Mhm. Et j'étais avec euh, mon cousin Bako, Ayuba Tchamogo, mhm. Salifu Babae. Donc nous, à l'époque, on avait créé ce qu'on appelait le groupe de danse Gabero. Gabero. Voilà, donc nous on avait commencé à. Parce qu'à l'époque, les gens disaient Ah, mais la musique nigérienne ne pouvait pas se danser. Et donc nous on a fait ce challenge de montrer à tout le monde, aux yeux du monde entier, que la musique moderne nigérienne pouvait se danser et qu'on pouvait danser sur la musique moderne nigérienne. Donc euh, c'est ainsi qu'en 1988, donc nous avons euh, avec euh, Ayuba, Babaye, mon cousin qui est actuellement en France, Bako, qui avait gagné à l'époque un concours, euh, c'était le premier concours de danse moderne nigérienne. Mhm. Et donc, euh, on a monté, en suivant, il nous a tous appelés, on a monté le groupe de danse Gabero. Gabero, 1988, mesdames et messieurs. Ils sont les premiers, pour ne pas dire en tout cas ceux qui ont commencé la chose ici au Niger. je ne me trompe pas. Non, non, non, on Avant nous, il y avait. En tout cas, pour les. vous faites partie des premiers. Des premiers, en fait, pour ceux qui ont de la musique moderne nigérienne. Danse moderne nigérienne, on était les premiers. Il y avait Mazari avant nous. Euh, Mazari était là avant nous, mais Mazari faisait, euh, c'était plutôt des danses euh, américaines, afro-américaines. Et nous, on est venu avec danse nigérienne. Tout simplement. Ils, sont, ils font partie donc des premiers, mesdames et messieurs, à faire la promotion de la danse ici au Niger. Alors aujourd'hui, on va parler des débuts de la danse. Dites-nous comment est-ce que vous avez commencé, comment est-ce que les choses se sont présentées. Alors, En 88, il faut dire que en fait, euh, il y avait le groupe Mazari qui existait. Mazari existait déjà. Voilà, Mazari qui était là. En fait, eux, ils ont voulu repérer des talents, repérer des danseurs. Mhm. Donc, ils ont organisé en collaboration avec le ministère de la Culture de l'époque, ils ont organisé le premier concours de danse moderne nigérienne. Ok. Et donc, dans ce concours de danse moderne nigérienne, on pouvait danser en couple et en solo. En couple et en solo. Et en solo. Donc, il y avait, on pouvait danser du, du, de la funky, du kwasa kwasa, et ils ont introduit euh, deux morceaux nigériens, euh, de Moussa Poussi et euh, Bouger de Mao. Donc à l'issue de ce concours, il y avait Bako et Fatih qui ont gagné le premier prix mhm. en couple mhm. et Ayuba qui a gagné le premier prix en solo. Donc Bako, avec la complicité de Ayama, qui était directeur de la MJC euh, Djado actuellement Djado Sekou, mhm. donc avec la complicité de Ayama, ils ont lancé le groupe Gabero. Mhm. Et donc du coup, Bako, il a fait appel à nous tous, à Yuba, Babaye, euh, moi, euh, Shaft, euh, il y en a plein, il y en a quelques-uns qui sont décédés. Donc voilà comment est née l'aventure Gabero, Gabero, en 88, 88. début 89. Super. Voilà. Alors il faut dire par là que euh, l'artiste Lawan, il est aussi euh, musicien euh, parce qu'à l'instant on était avec le Kalangou, j'ai beaucoup kiffé. Alors vous avez quitté en tout cas le Niger en quelle année pour Alors j'ai quitté le Niger en 1999. Il faut dire aussi qu'en temps j'ai aussi basculé de l'autre côté. en 92, j'étais devenu chorégraphe euh, chorégraphe et manager du groupe Homeboys. Homeboys, Qui par la suite va devenir la Calcanet. La Calcanet, bien sûr. Voilà, donc j'étais, si tu veux, manager, la, euh, manager et après j'ai basculé et en 99, donc je suis parti de l'autre côté. D'accord, donc 11 ans après, tu te retrouves en France. Ok, d'accord, euh, en France, euh, à, Toulouse, hein, en tout cas un village pas loin de Toulouse. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler un peu de tes débuts Tu as continué la danse, qu'est-ce que tu as fait hein, en Alors, quelque sorte pour imposer la culture nigérienne C'est qu'on dit, c'est mhm. que on est à côté des belles choses. Bien sûr on est à côté des belles choses, des choses valorisantes pour nous, mais tous les jours on passe à côté sans même s'en apercevoir. Bah. Je parle de mon cas, c'est-à-dire que le kalangu que tu vois que j'ai joué ici, bien sûr, tu vas être surpris si je te dis que j'ai appris à jouer le kalangu en France. En France, hein? J'ai appris à jouer le kalangu, le djembé, le doum, la calebasse, j'ai appris ça en France. Ok. Parce que quand je suis arrivé, euh, Bako qui était là-bas, il y avait le groupe. Bako, bien sûr, est notre artiste talentueux, il a voilà. un musée d'instruments, moi j'étais chez lui. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Et donc, respect à lui, Bako tout à fait. Donc avec lui, euh, de suite, moi je me suis mis, je me suis initié, euh, j'ai appris et de suite euh, avec, j'ai intégré le groupe bagoban On a, on a tourné dans toute la France. On a fait même la première partie de Touré conda On a fait la première de Gladiators, des très très grands groupes, mhm. sur une scène où il y avait plus de 7000 personnes dans, la place. Mhm. Donc moi j'ai appris et c'est pour ça que j'incite les jeunes s'ils sont à l'écoute, vraiment d'apprendre à jouer d'un instrument traditionnel, ou apprendre à jouer d'un instrument, peu importe l'instrument, mhm. mais vraiment d'apprendre à jouer un instrument, c'est important. Il ne faut pas un jour aller là-bas et se rendre compte qu'en fait, on est passé à côté. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est le premier angle, hein. tu es sûr, donc euh, l'émission Franco Aoussa, présentée par RIM. Alors, Lawan, mm. de la danse, tu as basculé, tu as fait aussi autre chose de la danse, à la musique. Est-ce que tu as fait autre chose, hein, artistiquement parlant, en France Artistiquement parlant, j'ai monté une association. L'association euh, L'association que j'ai appelée à l'époque Gado, Gado comme uh-huh. héritage. Héritage Voilà. Et avec l'association Gado en 2005, on a lancé le festival Wassan Africa. C'est de Wassan Africa, mesdames et messieurs, que nous allons parler dans un deuxième angle sur l'émission Tous à la Fada. Alors restez à notre compagnie. Eh, c'est le début du commencement. Lawan, haut c'est le début, vous l'avez eu sur l'émission Franco Aoussa avec la Miss Rim. Demain, dimanche, si de nous prête longue vie sur nos 46 radios partenaires, vous allez donc recevoir Mr. Lawan pour nous parler de ce festival, pour nous parler de Wassan Africa. Sur ce, nous vous demandons de rester en compagnie de l'émission tout à Fada. Tout de suite, la suite avec la Miss Rim. Et...